le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum Auditeurs et auditrices des programmes du studio Kalangou, bienvenue dans le Forum de la presse. Le Forum de la presse est un rendez-vous hebdomadaire avec les confrères de la presse écrite, audiovisuelle ou en ligne pour analyser l'actualité de la semaine. Les principaux sujets du forum d'aujourd'hui sont la célébration ce, vendredi 2 novembre de la journée internationale visant à mettre fin à l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes notre sujet d'actualité, la mission du Fonds monétaire international sur la revue de son programme avec le Niger. Au plan sécuritaire, dans le département de Torodi, des écoles de certains villages ont été brûlées par des inconnus la semaine dernière. Nous terminerons avec le sommet mondial des défenseurs des droits de l'homme qui s'est achevé mercredi à Paris en France. Pour analyser tous ces sujets, nous avons le plaisir de recevoir euh, Issa Morumadougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré. Bonsoir Issa. Bonsoir Hassan. Euh, Ousseini Issa, journaliste freelance. Bonsoir Ousseini. Bonsoir. Et Alej Suleiman Mamadou du journal en ligne Niger Inter. Bonsoir Suleiman. Bonsoir. Merci d'avoir euh, honoré cette invitation. Au micro Alassane Kouzi Mahamadou. Chers invités, bonsoir. Avant d'entrer dans le vif du sujet, d'abord un mot pour euh, Mariama Keita et Jamila Souley, euh, tous des journalistes donc emportés cette semaine par la maladie. Je commencerai par vous, euh, Elève Suleiman Mamadou, du journal La Ligne Niger Merci. on ne peut que s'incliner donc pour prier au repos éternel de leur âme euh, Maria Maketa, c'est la pionnière, euh, c'est la doyenne des journalistes femmes et même en réalité, ceux, qui sont actifs, c'est pratiquement la doyenne J'ai euh, aujourd'hui. Jamila, elle a fait ses preuves à Saraunia. donc, brièvement, on ne peut que prier pour qu'Allah leur fasse miséricorde. Issa Mormadougou Tenons d'abord à présenter nos condoléances attristées aux familles des deux illustres disparus parce que Mariam Keita, comme l'a dit Suleiman, elle est la première femme journaliste au Niger. C'était vraiment une au-delà du professionnalisme euh, sur le terrain, c'est une des meilleures encadreuses dans la pratique du journalisme quand elle vous forme euh, ou bien mm. quand elle, elle, assiste à un atelier de formation, quand elle fait partie du panel des, intervenants, je vous assure que au sortir, vous n'allez pas dire que vous n'avez pas appris avec elle. et là, et ainsi va la vie, nous venons tous et un jour nous devrons partir. Pour euh, l'autre euh, directrice commerciale, de, elle est vraiment, elle a il a marqué son temps de l'animation jusqu'à la gestion des affaires commerciales de Saraunia. C'est également une grande perte euh, pour le monde de la presse. Euh, nous prions pour le, repos de leur âme, que la douleur soit légère et que euh, Allah subhanahu wa les accueille dans son paradis éternel. Au ça, vous avez appris également ces deux décès <coughs> Le deuxième décès, je viens de l'apprendre à l'instant là celui de, celui de Céline euh, Jamila Soleil, qui mhm. a commencé par RM avant d'être, euh, comment vais-je dire, euh, au niveau de Saronia. Mhm. Elle a commencé par RM et l'autre, c'est une tante à moi. Mariam Keta, on a fait des formations ensemble. Je suis colistère où je, l'assiste par rapport à des formations et tout et tout, pendant des années et des années, toutes ces années à travers à Pâques Niger. Et quand j'ai appris son décès, ça m'a attristé parce que tout simplement, je me suis dit, un temps, il était hospitalisé pendant des, longs mois ici, ici à Niamey je savais même pas qu'elle était évacuée, en Turquie. En Turquie mm. et que Dieu les rame, que Dieu les agrée dans son paradis éternel. C'est des gens qui sont restés et qui sont sincères, honnêtes, qui ont été sincères, honnêtes durant toute leur vie. Bien. C'est des gens que j'ai connus, que j'ai approchés aussi bien Jamila, parce que Jamila, j'étais au niveau de l'ONIMED dans le bureau avec elle. Elle était disponible à chaque fois que je la sollicite par rapport à un travail, et venait. On travaille ensemble. Alors, paix, aux âmes des illustres disparus. Tout à fait, c'est ça le souhait. Oui, je le disais, ce vendredi 2 novembre 2018, nous célébrons la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. À propos, le Comité pour la protection des journalistes, CPJ, a publié lundi son rapport intitulé Commettre le meurtre et s'en tirer impuni, l'indice mondial de l'impunité du CPJ 2018. Ce rapport met en lumière les pays où les journalistes sont assassinés et dont les assassins euh, échappe à la justice. À Paris, pour commémorer cette journée internationale, Reporters sans frontières a éteint la tour Eiffel pendant une minute hier dans la soirée, en plongeant ainsi l'un des monuments les plus emblématiques du monde dans le noir, la couleur du deuil. RSF a rendu hommage à tous les journalistes assassinés dans le monde et dont dans le monde et dont les meurtres restent encore impunis à ce jour. Une fois l'éclairage de la Tour Eiffel rétabli, des portraits de Jamel Khashoggi, célèbre éditorialiste saoudien, ont été symboliquement brandis aux côtés de ces, des deux journalistes français, Ghislain Dupont et Claude Verlon, assassinés, on se rappelle, au Mali, et de la journaliste d'investigation maltaise Daphne Caruana, tué par l'explosion d'une bombe placée sous sa voiture. À travers cet événement organisé avec le soutien de la mairie de Paris, RSF a souhaité adresser un message fort aux tueurs des journalistes et leur signaler que tôt ou tard, justice devra être rendue. Alors, je m'en vais tout de suite commencer avec vous, euh, Elal Soleiman Mamadou. Qu'est-ce qui expliquerait, selon vous, la persistance de cette impunité dont bénéficient les meurtriers des journalistes. Est-ce que cela est dit à une insuffisance dans les textes internationaux, internationaux en termes de poursuites, un manque de volonté de rechercher les coupables. Il y a surtout l'hypocrisie euh, de ce qu'on appelle la communauté internationale. Je pense qu'il est inadmissible que des pratiques barbares, euh, tuer quelqu'un pour son opinion, euh, tuer quelqu'un parce qu'il ne pense pas comme vous, c'est franchement euh, l'Antiquité, c'est vraiment euh, la préhistoire de euh, aujourd'hui au XXIe siècle, en tout cas que cela se passe et que les pays qui le font, continuent continue à coopérer avec eux, je pense que c'est vraiment inacceptable. Donc de mon point de vue, et, franchement, il va falloir au niveau des organisations internationales comme au niveau des pays qu'on puisse boycotter activement les pays pour que vraiment ces pratiques cessent. Franchement, il faut parce que l'hypocrisie, euh, c'est de savoir aujourd'hui, par exemple, le cas de Khashoggi. Euh, le euh, c'est connu effectivement comment ça a été opéré. Il est question pour les, vraiment pour les puissances du monde de faire pression pour que véritablement qu'on puisse conséquemment châtier les auteurs pour que plus jamais, en tout cas, des telles pratiques ne reviennent, en tout cas, dans notre monde. Et Issa Mormadougou, est-ce que vous pensez aussi que c'est... bon, Suleiman, lui, il a parlé d'hypocrisie euh, au plan international. Qu'est-ce que vous, vous pensez, en tout cas, qui pourrait expliquer euh, cette persistance de l'impunité Chaque fois qu'un journaliste se fait assassiner, il faudrait voir euh, sur le, le, sujet sur lequel il est en train de travailler, soit sur des cas de corruption ou de mauvaise gouvernance. Donc, c'est normal que parfois le, le dossier n'évolue pas parce qu'il y aura certainement une évolution des hautes personnalités de son pays ou du pays dans lequel il a été assassiné qui seront impliqués dans son assassinat, comme c'est le cas de la Maltaise. et a sur des cas de corruption. Et tout le monde sait dans ce pays où la corruption a atteint un degré vraiment extraordinaire qui fait en sorte que, la situation économique de ce pays n'arrive pas à prendre son envol, malgré qu'il y a des appuis de plusieurs institutions. C'est le cas aussi également euh, au Kosovo, euh, à Lettonie, où des journalistes ont été assassinés également qui travaillaient sur le cas. Donc, le plus souvent, en tout cas, c'est cela est dû euh, à la nature vraiment du, sur le sujet sur lequel le plus souvent. Et il y a également cette hypocrisie de, de, la communauté internationale dont parlait euh, Suleiman tout à l'heure. Alors Suleiman a effectivement raison. Si Khashoggi a été assassiné dans un pays du tiers-monde, vous pensez que la communauté internationale, vous allez voir la vague de réaction de toutes les grandes puissances pour dire, euh, ordonner à ce pays. On a vu quand euh, Norbert Zongo a été assassiné. La communauté internationale s'est levée contre le régime de Blaise. Ils ont même fait en sorte qu'une commission soit mise en place dans laquelle se trouve Robert Ménard qui a séjourné pendant des mois dans la conduite de l'enquête. Donc voyez-vous cette hypocrisie. Aujourd'hui, personne n'ose demander à l'Arabie saoudite des comptes. Vous avez vu, il fallait que même euh, le, certains chefs d'État, il fallait que l'insistance de la presse pour qu'ils puissent même se prononcer sur la question. Mm. En fait, il y a cette hypocrisie qu'on ne comprend pas et c'est que RSF même ne met pas en exergue aujourd'hui la complicité de, ces puissances, la complicité de certains régimes qui se disent des régimes démocratiques aujourd'hui, qui favorisent, qui encouragent ces arts de pratique parce que quand on refuse à ce on ait des critiques, on ait un regard sur sa gestion, c'est ce qu'on ne peut plus parler de démocratie. Euh, Hussein Issa, vous avez euh, en tout cas euh, entendu parler de donc de ces assassinats et leur persistance de, journalistes à travers le monde. Qu'est-ce qui expliquerait cela selon vous Bon, mais cette persistance-là, bon, je vais partir du fait que euh, on a fait le lien avec euh, la disparition de Justin Dupont et Claude Verlon au Mali. Et le dernier récemment, Khashoggi. Oui, bien sûr. ça fait pratiquement. En fait, quand on fait le décompte, ça fait juste un mois moi, c'était le 2 octobre, je mm. crois qu'il a trouvé la mort, on l'a assassiné, on l'a... On ne sait même pas où se trouve encore le corps. Le corps même n'est pas encore euh, retrouvé. Ce qui explique euh, cette situation, c'est que les gens sont dans un contexte quelque part où on refuse, on refuse parce que c'est une remise en cause de la liberté d'expression, la liberté de presse et tout qui est quand même une valeur fondamentale en matière de démocratie. Dans un contexte démocratique, la presse est un élément fondamental. On est dans un contexte où on, refuse. il y a des pays qui peuvent se le permettre. On refuse quoi On refuse la liberté de la presse. La liberté de la presse, c'est-à-dire accepter que quelqu'un d'autre puisse émettre une opinion qui n'est pas une opinion qui m'est favorable. À partir du moment où il met cette opinion, moi, je considère que je veux combattre cette personne parce qu'il n'est pas d'accord avec moi. Et le monsieur, euh, Jamal, il a été victime de ça. On a vu un peu ce que ça a donné comme tiraillement pendant combien de semaines où l'Arabie saoudite a refusé de reconnaître. On dit non, c'est pas possible, c'est pas au niveau du consulat qu'il a été tué il est rentré, il est ressorti. Alors, est-ce qu'il est, qu'il est, possible aujourd'hui d'espérer qu'un jour les assassins, en tout cas des deux journalistes, et la Maltaise et le Saoudien, puissent, en, euh, en, tout cas. J'allais en venir. il est possible, il est bien possible, il est possible quand il y a la volonté, y compris des Occidentaux. C'est un fait avéré. Ce qui s'est passé en Turquie, à Istanbul, il n'est pas, on peut pas, personne ne peut dire que l'Arabie saoudite ou l'État saoudien n'est pas impliqué dedans. On parle d'un consulat. Dans un consulat, des gens viennent. Au nombre de 15, ils rentrent. Un journaliste qui rentre, il ne ressort plus. on ne sait plus où se trouve le corps. Et aujourd'hui encore, on continue à vouloir maintenir le fait que non, non, non, quand il est rentré, il est ressorti qu'on monte le corps. Et, après avoir reconnu qu'effectivement, il a été tué par strangulation, hmm. ça pose problème. Ça pose Donc il faut la volonté. Mais il faut la volonté. Il faut que les gens se disent non, on doit mettre fin à ce genre de pratiques parce que ce n'est pas des pratiques démocratiques. Mais quand on a vu un peu le comportement des, Occidentaux, je veux dire des États-Unis, de la France, de un peu partout, tous ces pays-là, ils ont condamné à demi-mot. Ça s'est arrêté là. Parce qu'ils entretiennent des, rapports euh, étroits sur le plan commercial euh, avec euh, ce pays-là. Et qu'ils ne veulent pas voir ces rapports-là se détériorer à cause juste du meurtre d'un journaliste. Bien. Elal Suleiman, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, en tout cas, il est possible euh, de, rendre justice à ces journalistes tués surtout les cas récents hmm. qu'on avait cités. Il, il, est possible, dans le cas flagrant, par exemple, comme celui du, Saoudien, pour Ghislaine Dupont, euh, je, je veux dire qu'il y a un travail euh, d'investigation à faire. Tout comme par exemple le franco-canadien en Côte d'Ivoire euh, qui a été aussi assassiné par le régime euh, tout, à fait. Donc il y a des dossiers où vraiment il faut une investigation vraiment méticuleuse pour établir vraiment les, les, vrais coupables. Mhm. Mais pour le cas saoudien, c'est d'abord avant tout le principal responsable, c'est l'Arabie saoudite. Et ça, vous, vous, voyez un peu juste euh, par populisme euh, Trump voulu commencé par dire que, en tout cas, s'il est établi que l'Arabie Saoudite a il va les sanctionner. Il va les sanctionner, mais euh, après coup, il va faire au monde que, en fait, c'est le business en réalité, c'est le business qu'il faut mettre en avant. Euh, moi, je pense que en réalité, c'est pas c'est pas une question de, de, de, volonté, mais c'est une question de décision à prendre pour justement, si on veut enseigner au monde, on veut être le gendarme, donc pour en fait dire que les droits de l'homme constituent justement euh, des valeurs universelles, il va falloir justement les respecter à tout temps et vraiment à tout, à tout lieu. Donc euh, ici, je pense que les pays, les, Occidentaux particulièrement, ont failli nous montrent que vraiment, euh, c'est cela les circonstances qu'ils peuvent se montrer vraiment pour les droits de l'homme ou bien contre les droits de l'homme. ça et moi, par rapport à la possibilité de rendre justice ben, Quand on parle de justice, il faut jamais perdre de l'espoir. On a vu des cas qui se sont déroulés, c'est 30 ans après, voire au-delà, que la justice puisse se prononcer. Vous avez vu euh, la période de Pinochet, il fallait combien d'années hmm des années après, la justice a pu vraiment se, prononcer par rapport à toutes ces meurtres, euh, ce commis sous le régime de Pinochet. Donc, je pense que euh, rien n'est impossible. Mais sauf que pour le cas de, de euh, confrères de RFI, il faudrait, comme l'a dit Alagi, mener vraiment une enquête situer les responsabilités. Parce que ça comme, fait ans déjà. Non, parce qu'il s'agit d'un de, pays du tiers-monde. Il ne faut pas qu'on prenne des, des, des, gens qui n'ont rien à voir avec l'affaire qu'on puisse les présenter comme des présumés coupables et les juger, les envoyer dans des prisons, alors que les vrais commanditaires du meurtre circulent. C'est hmm. ça un peu la complexité, parce que quand il s'agit de Kidal, on sait qui maîtrise Kidal. On hmm. sait qui pu certains. Vous avez vu le film documentaire qui est sorti par après pour apporter un peu de lumière sur les circonstances de décès des deux journalistes hmm. de RFI. Hmm. Vous avez vu, ils ont, ce sont des Français, ce ne sont pas des Africains qui ont produit le film. Mais ils ont quand même pu montrer quelques voix qui montrent que, en fait, la responsabilité de ce meurtre se retrouvent vraiment à des niveaux de responsabilité très élevés, au niveau même de la France. Bien, nous, passons au, second sujet de, cette émission. C'est notre point, je le disais, parle des actes pyromanes commis la semaine dernière dans le département de Torodi, frontalier avec le Burkina Faso, avec des écoles brûlées par des inconnus. Ces actes sont le prolongement d'actes qui ont commencé au Burkina voisin avant de s'étendre au Niger. Selon le préfet du département de Torodi, juin par le studio Kalango, plusieurs arrestations ont déjà été opérées et des mesures prises pour renforcer la sécurité. Issa Mourmadougou, de quelle autre information est-ce que vous disposez à ce sujet, notamment sur les raisons de tels agissements Effectivement, quand on a eu cours de cette information, nous avons essayé de creuser, de savoir un peu plus qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui euh, ces actes qui aujourd'hui ne causera que du tort à la société parce que nous savons tous qu'aujourd'hui, l'école a fait en sorte que des communautés là-bas qui sont un peu oubliées, à travers l'école, ils ont eu leurs enfants qui ont accédé aujourd'hui à des hautes euh, euh, fonctions. Donc, voyez-vous un peu l'utilité de l'école qui a fait en sorte qu'aujourd'hui se retrouve même avec des centres de santé et autres. Qu'est-ce qui peut l'expliquer Donc, les, les interprétations diffèrent d'une personne à une autre. D'autres disent que ça a, commencé, ça commencé au Burkina Faso parce qu'il y a des djihadistes qui deviennent euh, intimés. Certains euh, euh, comment on appelle, enseignants. pour leur demander de quitter. Nous, on ne veut pas de l'école des Blancs. Écoutez, quitter les lieux et sous la menace, les gens quittent. Et ils pensent que c'est peut-être la même situation qu'ils faisaient. Mais quand même, ce qui m'a un peu paru bizarre, comment ça a pu se dérouler dans le département de Torodi quand on connaît l'efficacité des, groupes groupes d'autodéfense Coloego qui ont vraiment montré euh, vraiment leur efficacité en réduisant la criminalité qui est vraiment... Euh, Surtout oh, les, voleurs. Oui, c'est un mm. temps où tout le monde sait que le département de Torodi, même en pleine journée, euh, on peut vous attaquer les gens qui partaient faire le, marché hebdomadaire sont, ont été victimes plusieurs fois. Mais avec euh, la mise en place de ce euh, groupe d'autodéfense Colwego, on a vu cette réduction drastique euh, de ces cas de criminalité. Je ne sais pas ce qui a pu se passer, mais quand même, il faudrait que tout le monde, dans une synergie d'action, essaye de trouver un peu d'identifier les vrais coupables de ces actes, car ça ne va que nuire Surtout qu'on apprend qu'il y a eu des arrestations. Oui, les arrestations, et, nous ne cessons de dire que de mener vraiment des enquêtes objectives, qu'il ne faut pas que ça soit un règlement, moins de règlement de compte entre personnes interposées. Mhm. C'est tout ce que nous souhaitons. Nissa Nissa, cette question de brûler des écoles. Moi, je dis c'est une affaire très grave. Je ne sais pas, vous avez contacté peut-être le maire. Le préfet. Le préfet, de mais normalement, une telle affaire-là, c'est même le gouvernement qui doit prendre ça en charge on parle d'école. On ne parle pas de, de, de machin, de peuple de route. C'est une affaire d'école où on vient mettre le feu. Je ne vois pas comment, jusqu'ici, officiellement, le gouvernement ne s'est pas prononcé par rapport, parce que c'est extrêmement grave. Pour moi, c'est grave. Quand des gens peuvent venir dans un pays, mettre le feu à des écoles, il faut s'en inquiéter. Par conséquent, je veux dire, ce n'est pas une affaire à minimiser. Ce n'est pas une affaire à minimiser parce que ça peut prendre de l'ampleur. Toute cette bande-là, parce qu'on sait ce qui se passe aujourd'hui dans l'Est et le Nord Burkina, on sait ce qui est en train de se passer, où des gens viennent, ils attaquent, ils tuent, ils pillent, ils s'en vont. Ça veut dire que ça se délocalise, parce qu'il y a la bande, comment vais-je dire, cette bande-là. Euh, machin, comment on appelle cette bande-là la, bande. Frontière Niger, Burkina, Bénin. Hmm. La bande frontalière là où il paraît que c'est là-bas ils se sont installés. Et que des gens, on est là, on observe, ils sont en train de s'installer pour pouvoir mettent en place leur base après avoir délocalisé du nord Mali pour venir dans le bois là. Et les pays, les pays en question ne vont pas les pays faire. En question, non, mais, non, mais je veux dire, laisser faire. Moi, je dis, on doit pouvoir contrôler ces zones-là. Hmm. À partir du moment où c'est des zones à nous, quelqu'un ne peut pas venir s'installer dans une zone, installer une base, venir attaquer. Et les gens sont là à les observer jusqu'à ce qu'ils deviennent une en tout cas, ils prennent de l'ampleur, ils deviennent un peu puissants mm. et ils vont pouvoir poser des actes de nature à, poser des problèmes aux, aux, populations qui sont dans, des zones riveraines. Mm. On est en train d'assister à ça. On a entendu une atteste, on dit, des gens viennent, ils prélèvent l'impôt. Attends, mais comment des gens peuvent venir d'ailleurs pour venir prélever l'impôt à une Alors ça, c'est un autre sujet. Nous aurons l'occasion d'en parler euh, euh, en détail. Alors, euh, Suleiman, Elage Suleiman Mamadou, euh, est-ce que vous pensez qu'il est possible de prévenir de tels actes qui s'est en tout cas produits au niveau de, de Torodi Prévenir. Et comment prévenir euh, c'est peut-être là ignorer un peu le mode opératoire des terroristes. Euh, on l'a vraiment euh, souvent dit, ce n'est pas une situation normale. Les terroristes ont toujours agi par surprise. Ils vont cibler un lieu et pendant même qu'ils agissent, ils vont prendre leur temps. Lorsqu'ils pensent que l'attention est détournée, ils vont venir commettre leur acte et maintenant et euh, la communication, ils vont se cacher, ils entendent ce qui entendent de se, euh, vous voyez un peu, c'est ça en fait. Euh, je ne pense pas que c'est efficace que le gouvernement vienne à travers les médias. Non, il est, question automatiquement de, poursuivre, de chercher en fait ces, ces, criminels. Mais il faut déplorer que ceux qui attaquent l'école, franchement, montrent leur barbarie, leur obscurantisme, parce que je pense que l'école, venir attaquer un centre de santé, franchement, euh, ça montre véritablement, le, le, en tout cas, le, caractère vraiment euh, très, très euh, dangereux et vraiment de, ceux, qui le font. Parce que je pense que l'école, c'est la lumière, en tout cas, c'est le symbole de ce qui peut faire avancer la société, le progrès. Donc, moi, je pense qu'il faut peut-être l'appel à faire, ce qu'on pense que c'est un truc un peu euh, c'est un peu, c'est assez récurrent quand même. Il est question, en tout cas, euh, on parle aujourd'hui du G5 Sahel. Mm. On voudrait vraiment rassurer les citoyens de cette zone que effectivement euh, la conjonction des efforts de nos armées, en tout cas, est de nature vraiment à rassurer la sécurité euh, dans, tous les, dans tous les pays, en tout cas au niveau de nos frontières. Mm. Ah, rapidement. Juste pour ajouter un peu l'idée de euh, Alaj Mamadou, l'État à, lui seul ne peut pas faire. Il faut aussi les communautés, que ces communautés euh, s'impliquent. Dans Notamment par le, en, fournissant, fournissant des informations. C'est vrai, il y a la peur. Parce que vous voyez, le mode opératoire, c'est le même que Boko Haram avait commencé au Nigeria. Mm. Ils ont commencé à, à, détruire les symboles de l'État, qu'ils ne savent pas qu'ils sont en train également d'effacer les communautés l'évolution des communautés, de, de stopper carrément. Donc, il faudrait qu'il y, y ait en quelque sorte cette synergie. Et vous voyez, tout récemment, il a parlé de G5, il y a eu la réunion G5 Sahel, Alliance Sahel, où il y aura plus de 90 millions d'euros qui sera injectés dans le développement. Donc maintenant, la sécurité s'allie au développement. Donc c'est dans un effort déjà, à partir de ces efforts déjà fournis, que viendront se greffer ces projets de développement en hydraulique, en santé, en hmm. éducation. Donc, si ce qui existe est détruit, voyez-vous, on retourne encore à la case de départ et ça va être compliqué, hmm. y compris pour l'État qui a dépensé l'argent public, y compris pour les communautés aujourd'hui. C'est vrai, il y a la peur. Hein. Tout le monde les, gens, les, gens, ont peur de ces, de ces, présumés djihadistes, mais quand même, il faut qu'il ait un peu du courage, il faut qu'il soit rassuré le plus souvent quand il donne des renseignements. Pour collaborer. Oui, qu'il donne des renseignements que ça aboutisse à quelque chose. Parce que c'est ça la crainte des populations. Même dans le nord de la Béry, quand vous partez, les gens c'est la question qui se nous, nous allons à autre chose, oui. et pour finir, c'est ce qu'il faut les rassurer parce qu'ils disent que ce pas qu'ils ne veulent pas collaborer, mais tant qu'ils donnent des informations, il faut qu'il y ait des actions concrètes. des représailles. Il ne faut pas que ces personnes-là viennent encore euh, leur causer du tort. Hmm. Merci. Et je le disais, donc, euh, passons à notre troisième euh, sujet, euh, en début de semaine une mission du Fonds monétaire international FMI a séjourné à Niamey sur la revue de son programme. À l'issue des consultations, le chef de la mission a laissé entendre que la croissance économique nigérienne connaîtra une hausse et devrait passer de 5,2% en 2018 à 6,5% en 2019. au Selon vous, qu'est-ce qui pourrait expliquer une telle progression, en tout cas de la croissance économique nigérienne, euh, de 5,2% en 2018 à 6,5% en 2019 mais Moi, j'ai même entendu 9, quelques pourcents. Nous, les informations qui nous sont parvenues. je suis en train de, le dire. Le problème, c'est que moi, je suis fatigué avec les statistiques. Non. Pourquoi Non je suis fatigué avec les statistiques. Vous n'y croyez pas Je n'y crois pas. Je n'y crois pas du tout. Parce que les statistiques, quand on dit qu'il y a un état de croissance par rapport à telle situation, de telle situation à telle situation, c'est qu'au niveau du quotidien des populations, là, c'est ça la croissance. Il ne faut pas se faire d'illusions, c'est ça la croissance. Mais, la croissance, effectivement, on peut, on mettre ça dans les chiffres, on peut dans les, calculs qu'on fait. Voilà, ça a passé de ceci, cela, ces histoires, institutions, Banque mondiale, FMI, tout ça là. Ils viennent, ils racontent ce qu'ils ont envie de raconter. Mais les vrais chiffres, en fin de compte, en fin d'année, quand on fait le, le, le, les statuts, on est le Niger est dernier. Mais attends, quand on croit là, Comment on peut être dernier Bien. On, parle de pays qui sont en guerre, mais on est toujours dernier. Et on vient, on sort, on dit non, voilà, une mission. Des gens viennent, ils s'assoient, ils, voient à l'hôtel, ils mangent, ils, ils des chiffres. Voilà, on est d'accord avec ce. Voilà ce qui se passe. On n'est pas d'accord avec la réalité, dire voilà ce qui se passe. Aujourd'hui, cette année, jusqu'ici, on n'a pas encore les statistiques par rapport à la production agricole. Les résultats, jusqu'ici. Oui, parce que les évaluations ne sont pas encore terminées. Mais pourquoi Bien, ça c'est un autre sujet aussi, ça, si vous voulez bien, <laughs> si vous voulez bien, nous allons passer euh, aux autres invités. Ça c'est un autre sujet par rapport à, en tout cas, l'évaluation de la campagne agro-silvopastorale. Et là, Suleiman Mamadou, euh, ce passage de la croissance euh, économique de 5,2% à, 6,5% en 2019, comment vous l'expliquez, vous En tout cas, comment vous comprenez cela J'ai fait observer à mon confrère Issa y a quand même une expérience, euh, il faut aimer les statistiques euh, et aussi, par cocher l'économie, c'est une science. Euh, en réalité, cette croissance, quand vous échangez avec les, experts, il y a l'impact de la, la production agricole qui va être cette année, en tout cas, selon les prévisions vraiment excédentaires, de façon générale au niveau du pays et que notre économie, selon encore les exports de la <laughs> macroéconomie, mhm. elle est encore tributaire justement du secteur euh, agricole. agricole. Donc l'agriculture, en tout cas, est prime en tout cas sur les, en tout cas euh, la, vie économique réelle. Et c'est ça qui fait que euh, l'inflation est plus ou moins maîtrisée, puisque lorsqu'il y a des déficits au niveau agricole, effectivement, ça se ressent euh, sur beaucoup d'aspects de la vie. Mm. Donc, euh, c'est le discours, en tout cas, depuis que la 7e république est installée, euh, la croissance économique, la maîtrise de l'inflation, c'est en tout cas, d'un point de vue de l'économie, ce n'est pas discutable on comprend avec d'autres pays de la, de la zone euh, CDAO, UMOA. En tout cas, des critères objectifs euh, sur lesquels euh, les gens calculent. Maintenant, Hussein ne comprend pas que malgré cette croissance qu'on soit toujours Je suis d'accord avec lui. il faut que... J'ai la parole, Hussein. J'ai la parole. J'ai la la, parole. Il va finir. il va finir. Il va finir et puis on vous redonne la parole. la démarche, effectivement, euh, de, du citoyen normal, c'est de voir effectivement se sentir sur la, dans, le panier de la, ménagère. Mm. Mais les économistes disent en fait, les investissements, les actions économiques et sociaux se ressentent euh, vraiment sur, le, sur la durée, sur le, le temps. Peut-être dans 5-10 euh, ans, les actions faites, par exemple, on, a, on, a acculé un, un, un membre du gouvernement récemment sur l'impact de la loi des finances de, 2018. Mm. Il dit, vous ne pouvez pas ressentir ça tout de suite, euh, tout de suite mais ils sont en train de euh, faire une fondation, à savoir que ça impactera. Donc mm. le vrai débat, le vrai débat, c'est que euh, la situation, il parle d'IDH, vous voyez tout mm. cela, mais c'est des questions vraiment très très complexes qu'il va falloir réfléchir pour voir comment agir. Parce que aussi la question de l'EDH comme de l'économie générale, ce n'est pas une affaire d'un gouvernement, c'est aussi une affaire de tous les citoyens. Il y a des comportements qu'il faut. Et quand on va voir justement sur la question de l'EDH on verra bien que euh, le, simple, je veux dire, euh, euh, en fait, cas de, de, de, coin peut impacter lorsqu'il contrôle l'école, son enfant en envoie à l'école. le gouvernement a l'option créer en tout cas des classes, l'école gratuite, mais si les parents ne font rien pour accompagner les enfants, hmm. ils vont être, renvoyés de l'école et par conséquent, ça va agir négativement sur la, situation de l'école et aussi ça impacte l'IDH de notre pays. Ah, alors, Issa Morumadougou de la télévision radio euh, Ténéré, euh, comment vous comprendrez en tout cas la progression qui est prévue le 5 ,2 à 6,5%. En tout cas, et lui, euh, il évoquait un peu l'aspect agricole, en tout cas, qui est l'un des moteurs de l'économie nigérienne, en tout cas, euh, dans les prévisions, en tout cas. Euh, Aujourd'hui, parce que le secteur minier ne marche pas. Évidemment, c'est le secteur agricole, le secteur rural, l'activité rurale qui domine. Est-ce que c'est le seul, en tout cas, mais quand on, voyez-vous, on va aller <laughs> étape par étape. Mm. De toutes les façons, dans la vie, quand on parle de progression, de d'inférieur à, à, supérieur, c'est une bonne chose. Mais ce qui est un peu confus dans la revue chaque année du FMI avec le gouvernement du Niger, c'est que quand vous entendez le discours de, de, la délégation du, du, FMI et quand vous revoyez leur, leur rapport sur le Niger, c'est pas la même chose. Moi, la dernière fois, j'ai écouté, le, le, le, monsieur qui était venu au Niger. Mm. Je ne sais pas, c'est lui qui avait dit ça ou bien c'est son traducteur qui avait mal dit. Mais en tout cas, il avait donné, c'est comme si le Niger est le meilleur élève, le Niger tout va bien. Mais quand même, le ministre n'a pas dit que nous, on a fait. Le ministre, quand il faisait, il a été très objectif dans ses, dans ses propos. Mm. Il dit, nous sommes en cours. Voilà, si c'est à partir de ce point, nous avons, par quand il a dit, on prend le cas du barrage de Kandaji, il a expliqué clairement que le Niger n'a pas encore commencé les travaux, mais ils ont donné le marché à une entreprise chinoise. Voyez-vous, mais lui, on ne sait pas finalement qu'est-ce que le FMI. Parce que vous dites des choses, mais quand vous produisez des rapports, c'est pas la même chose. Est-ce que vous avez vu déjà un rapport, euh, en tout cas, euh, tous les rapports, par rapport à ce qu'ils ont dit En fait, ça permis moi de faire la précision parce que c'est vraiment. Euh, en fait, eux, quand ils veulent la mission. Hmm ils ont un programme signé le 23 juillet 2017 avec le gouvernement du Niger. Ils viennent pour vérifier est-ce que le gouvernement est en train de respecter, autrement dit, ce, ce, programme-là, qu'il soit euh, favorable au, peuple nigérien ou non. Et leur but, c'est de vérifier est-ce que le gouvernement est en train de le respecter C'est un peu ça. Et, pour eux, le gouvernement, effectivement, respecte la lettre euh, la feuille de, route, oui, effectivement je suis d'accord sur ce point même quand on parle même de croissance ils disent que la croissance ce n'est pas immédiatement qu'on va le ressentir mais de 2011 à aujourd'hui le Niger a quand même progressé en matière de croissance pourquoi cinq ans après on ne continue pas de ressentir cela c'est-à-dire, moi, je sais que je, quand on prend les statistiques au niveau national, ces statistiques sont assez claires. Mais eux, leurs statistiques, le plus souvent, c'est pour, pour cela qu'il faut vraiment prendre le temps pour bien expliquer. Alors, est-ce que vous pensez aussi que. Il y a certaines institutions, il y a des institutions de Bretton Woods, FMI, Banque mondiale. Le plus souvent, pour le cas de, de, la Banque mondiale, quand, ça, quand ils font la revue, on a des chiffres concrets, on a des précisions sur leurs investissements. Ils disent, par exemple, dans le domaine du euh, pastoralisme, on a investi tel milliard dans le cadre de ce projet. Dans le domaine précis des infrastructures, on a fait... Donc, il y a une petite compréhension. Au moins, même si on n'est pas expert du domaine, on comprend un peu. Mais pour le cas précis du FMI, je ne sais pas là où se pose le problème, qu'il n'y ait pas vraiment ce travail est-ce que vous pensez aussi que cette croissance, en tout cas, euh, ne se ressente pas dans la vie quotidienne des, des Mais ils ont dit cette croissance, euh, cette croissance du moins, excusez-moi, cette croissance de 2019, ce n'est pas en 2019 que les gens vont ressentir mm. cela. Donc moi, je m'inquiète pourquoi les années antérieures, cette, les croissances qu'on a connues de 2011 jusqu'à 2018, au moins pour une année qu'on puisse ressentir cela. C'est vrai, les conditions économiques au niveau international sont un peu difficiles. Nous évoluons euh, dans une communauté, dans une union où il y a des directives au niveau communautaire que tout pays doit respecter. C'est ça qui fait en sorte que quand on parle de certains chiffres, moi je dirais qu'il faut se référer plus le plus souvent aux chiffres donnés par l'UMOA. Euh, Parlons-en pour en finir, en tout cas, du sommet mondial des défenseurs des droits de l'homme euh, qui s'est tenu à Paris, en France, du 29 au 31 octobre dernier. Ce sommet qui porte sur l'évaluation de la mise en œuvre de la déclaration sur les défenseurs des droits de l'homme 19 décembre 1998 a regroupé plus de 150 défenseurs des droits humains du monde entier. C'est l'une des rencontres, en tout cas pour faire le point sur le travail des défenseurs des droits de l'homme et appeler les États membres des Nations Unies à respecter leurs engagements respectant le travail de ces défenseurs des droits humains dans leurs pays respectifs. Alors, euh, là, Suleiman Mamadou, quel changement peut apporter une telle rencontre pour le Niger, par exemple, où plusieurs défenseurs des droits de l'homme ont été à un moment emprisonnés cette année Mm, bon, vous savez, euh, euh, comme dirait l'autre, euh, c'est une rencontre donc des différents acteurs qui se sont concertés et rappeler effectivement les valeurs, parce que c'est ensemble qu'il faut comprendre ça, les valeurs universelles. Chaque pays est censé effectivement respecter les droits de l'homme, mais dans la pratique, on se rend compte qu'il y a un fossé entre la pratique et justement les principes. Euh, parce que simplement, euh, selon mm, le gouvernement qui est en place, selon sa vision, on va avoir des régressions ou bien des progrès dans, certains pays. Mais je pense que, franchement, au Niger, nous avons des acquis parce que nous avons des institutions qui, veillent. Par exemple, la CNDH aujourd'hui, mm. c'est une euh, institution nationale, mais franchement, qui fait un travail aujourd'hui, elle a plus de visibilité que la, la NDDH. C'est un fait. Hein. Mm. La, la, CNDH, la Commission nationale des droits de, droit humains, elle va te faire une, déclaration. Euh, souvent, quand, euh, quand, quand, vraiment ils donnent leur, rapport, euh, vous allez penser que c'est vraiment une organisation société civile normale. Est-ce que, est -ce que en tout cas, les observations qu'ils font et les recommandations sont, sont prises en compte par les, par les, les autorités mais, absolument. Maintenant, euh, il me paraît évident que euh, il, y a des, il y a des manquements. Euh, par exemple, ce qu'on avait observé durant la, cette, cette, année, que ce soit la liberté de, la presse, lorsqu'il y a eu le cas de la, la, télévision, la barre qui a, été, qui a été fermée, en tout cas, à des circonstances précises, ils ont pris des positions courageuses et il y a que, en fait, moi, je, pourrais vraiment faire court, hmm. le principe général, c'est que la liberté, c'est une conquête. Plus nous avons des structures de la société civile, la classe politique, en tout cas, des structures vraiment euh, qui ne sont pas prêts, en tout cas, à céder pour donc euh, la régression euh, des droits de l'homme, effectivement, mieux on pourra effectivement préserver l'essentiel. Vous savez, Nissa est-ce que vous pensez qu'au Niger, en tout cas, le travail des défenseurs des droits humains est-il garanti par l'État ou mal compris par... l'État? il y a une catégorie d'acteurs de la société civile qui essaie de se défendre, ou du moins de mener le combat par rapport aux droits de l'homme. Droits de l'homme, d'abord, c'est d'abord manger et boire. C'est-à-dire avoir la possibilité d'accès à la nourriture, à l'eau, à en tout cas, les besoins primaires. Mais à partir du moment où ça devient de plus en plus compliqué. L'électricité encore, ça devient un luxe parce que ce n'est pas à la mm. portée de tout le monde. Mm. Aujourd'hui, on est dans un contexte où ils sont allés se, rencontrer, ils se sont rencontrés en Europe, ils ont discuté. Mais c'est quelle avancée Quelle avancée C'est une régression. Parce que le niveau de vie des populations, le revenu des populations, est-ce que ce revenu a augmenté pendant que les revenus n'ont pas augmenté, on est en train de vouloir mettre la pression sur les populations pour que ce soit elles qui, Alors, les acteurs des défenses, en tout cas les défenseurs, eux, ils se sont rencontrés pour faire le point un peu. Ils ont fait le point, mais, chez nous, il y a un recul. pour moi, chez nous, il y a un recul. leur travail n'est pas oui, non, non, Non, le recul, c'est qu'il y a un combat qui est en train d'être mené. Il y a un recul parce qu'il y a des nouvelles mesures fiscales qui vont être encore renforcés, qui sont encore renforcés dans le projet de loi de finances 2019. Issa Madougo, pour finir, euh, quel est votre point de vue en tout cas autour de cette question des défenseurs euh, des droits de l'homme Cette messe, euh, soi-disant des défenseurs des droits humains, ne va que s'apesantir sur les pays du tiers-monde. Aujourd'hui, il n'y aura pas un point dans leur déclaration finale qui va condamner l'Europe pour obstruction à la, à la, liberté de libre circulation des personnes et de leurs biens. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, ils ont bloqué leurs frontières. Mais nous, les pays du tiers-monde, ils vont commencer à nous charcuter, à dire que non, non, non, jusqu'à Voyez-vous, les premiers rapports qui sont sortis de Human Rights Watch, on parle de la Corée du Nord, du viol. Mais pourquoi vous ne parlez pas aujourd'hui des milliers d'Africains qui vous êtes à l'origine de leur misère à qui vous refusez l'accès à l'Europe. On ne parle pas, personne n'en parle. On veut seulement dire que non, c'est l'Afrique, les pays d'Afrique qui sont aujourd'hui des pays qui font en sorte que les droits de l'homme n'évoluent pas. Pourtant, aujourd'hui, on a vu ce gouvernement italien à l'heure actuellement populiste. Et les mesures aujourd'hui prises par le gouvernement de Macron font en sorte que c'est une grande violation des droits euh, de l'homme. Mais personne ne va en parler. On va seulement dire de donner des directives à nos associations pour aller dire, aller dire à vos pays, s'ils ne respectent pas, on va couper l'aide budgétaire, on va faire ceci, on va faire cela. Mais il faut que nous-mêmes, nous soyons concrets dans ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'à l'heure actuelle, ce qui se passe dans la lutte contre la migration, je vous assure que c'est une violation flagrante des libertés de mouvement des personnes et de leur biens. C'est ici que preuve. prendre les, euh, les pots cassés C'est nous. Aujourd'hui, ce qu'on entend de Et nous avons épuisé le temps, en tout cas, qui nous est parti, imparti. <laughs> fin du forum de la presse de ce soir. Merci de l'avoir suivi. Nos invités, Issa Morumadougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré, Hussein Issa, journaliste freelance, et Suleiman Mamadou journaliste au journal en ligne Niger Inter. La présentation à la Kouzi Mamadou. N'oubliez pas le rendez-vous des formats Hausa et Anzarma samedi et dimanche à partir de 17h15 avec en Ousmane et Balkis Samidou qui traiteront de l'impact du mariage des enfants sur la santé de la mère et de son nouveau-né. Bonsoir.